Parlo. Sono in conoscenza Comment Bonsoir Donc, nous avons pour donner, que ce soit en catholique, que ce soit en musulman. Donc, en voyant cela, je me suis dit c'est la paroisse qui est adéquate, qui est adéquate pour transmettre nos valeurs. Parce qu'on parle de Sénégal congolais, c'est le Sénégal d'hier qu'on peut retrouver. Et pour retrouver ce Sénégal, il faut que chacun se mette à, en tête que nos, ancêtres, nos ancêtres n'avaient pas de religion et ils vivaient heureux en communion. Ce n'est pas à nous de gâter cette communion. C'est à nous, au contraire, de ne pas valoriser cela, de mieux transmettre ce que nous avons appris pour nos élus. Et cette paroisse, tout le temps quand on organise des activités, on ne, sait pas qui est catholique ou qui Enfin, si vous voyez, il y a une la mosquée qui est là. Donc euh, on n'a pas de, on n'a que de, bonnes de bonnes euh, relations ensemble. Parce que moi par exemple, dans ma famille, j'ai une partie catholique et une partie musulmane. Ça n'a pas empêché que dès le bas âge qu'on aille à l'école catholique. Donc tout cela c'est une joie. Et c'est cela qu'on peut transmettre à travers nos politiques au Sénégal Donc, vous passez le plus de la paroisse. Je suis le curé de cette paroisse. Je suis le père Simon Pierre et natif de cette paroisse. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette paroisse. Et je vous dis merci d'avoir choisi la paroisse de martyrs de pour cette première euh, activité que vous posez à l'endroit de la communauté En vous disant merci à vous tous qui êtes là, je dis merci à ce euh, groupe association, le Sénégal comme on aime. C'est un grand nom, le Sénégal comme on aime, ce qui veut dire que on est debout par amour pour notre pays et on est amour parce que nous-mêmes, on veut que le Sénégal soit ainsi. Alors, euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus à ces jeunes D'abord pour permettre de leur dire félicitations. Et en les recevant aujourd'hui, je le fais au nom de mon équipe sacerdotale, au nom de ma communauté religieuse, <coughs> au nom de toute la communauté chrétienne des martyrs de Rwanda que vous avez reçu aujourd'hui. Et aussi, je vous dis, mon père sera très content d'apprendre ce que vous avez fait aujourd'hui. Et comme groupe de jeunes qui travaillent, je le disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup d'associations à mener une telle activité. C'est pourquoi c'est quelque chose que nous devons soutenir et prier pour que ces jeunes qui sont animés d'un tel esprit puissent voir encore d'autres personnes derrière eux. L'imam est là. Et aujourd'hui, il les a accompagnés jusqu'à ma maison. Et tu tout à l'heure. Chaque fois que vous allez vers une paroisse, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous ouvrira une porte. Et je vous dis encore merci. Et pour nous, comme euh, société, comme société, ce n'est pas la religion qui doit nous réaliser. Non. Parce que, comme il le dit tout à l'heure, nous sommes trop mélangés pour reculer. Et nous avons eu une grande tradition de paix et de vie sociale vraiment magnifique pour reculer. Si vous regardez, les mariages se célèbrent partout. On vit en société sans même qu'on sache est, qui est musulman, qui est Et tout cela, c'est quelque chose, l'imam nous disait tout à l'heure, c'est une affaire vraiment que pour le Sénégal, beaucoup de, nous regardent nous de cela. Donc l'harmonie sociale est une affaire de tous. Et quand vous les jeunes, vous vous levez pour cela, et même pour que cela soit mieux visible au sein de la société, on ne peut être content et vous féliciter. Donc vous menez une grande action au niveau de la société. même, je vais vous proposer même d'aller beaucoup plus loin vers cela, que nos autorités qui puissent vous connaître, et savoir ce que vous faites pour que votre euh, activité soit mieux encadrée, mieux encouragée et soutenue aussi. Nous, on peut, euh, comme l'a dit euh, tout à l'heure votre représentante au niveau des affaires sociales, on peut prier pour vous, on peut vous aider dans la distribution ce que vous donnez et même dans soutenir votre activité. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons aussi des autorités politiques qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est à eux de mener ce combat que vous avez entamé vous-même. Donc nous vous disons à merci. Et au nom de la communauté chrétienne, je voudrais dire encore merci. Bon carême à vous. Ou si vous voulez, voulez bien, bon ramadan. Donc, euh, ñeneen ñi dañ may naan euh, man yëf de ma ne leen muñal xarit ah. donc euh,

parce que boo leen amee tey doole ci seen kuréel bi yëkkati ko te yóbbu ko fu nekk mooy yéen d'abord da ngeen yëngu lu ñu rafetlu ci suñu senegal mooy dëkkandoo te bokk loo xam ne moom ñëpp a ci nekk mooy suñu dëkk suñu réew la Sénégal dem kanam te loolu yéen mii boo leen ci jàppee ngeen ne ngeen wax ni ñu ne kaay dimbali ñu kooku dina dina toog seen ginnaaw moo tax it maa ngi ñaan. lii na doon loo xam ne ni moom waa maire yi mën nañu ko yëg ministre yi mën nañu ko yëg te tamit wala euh, ni def euh, lu mel ni wala ngeen ne def ñun tey ñu ngi dem ci biir paroisse ñu ngi dem ci biir euh, juma ñu ngi dem seeti biir sëriñ loolu mooy suñu Sénégal ah. donc bañu leen ko leen di wax contraire parce que kenn xam yeen biir tout am na ñoo xam ne ni moom ci suñu école yi la ñu ñun am na ñoo xam ne ci yéen la ñu sëy loolu yëpp moomuñu nit yàllaa ko moom te mooy tax ñu dox ba daje donc lii ci man lu rafet lu rëy la te maa ngi leen di gërëm bu baax euh, pour may gari sama wax waxoon naa ko sama ne li ngeen teg ñu tey ci saabu yi mun na jëriñoo sëriñ ko mun na jëriñoo kat ñun buñ koy sëriñee dinaa woo am na fii loo xam ne def na comité bu ñu naan waa euh, comité Caritas ñoom lay woo ak seen seet c'est que euh, bu beneen yoon it dina gën a taxaw parce que xaw ma woon ni lii ngeen euh, taxawaay bi ni la foofu la toll donc bu beneen yoon it naa leen woo ñoom it ñoo leen di teral bokk ci suñu waxtaan te tamit euh, ñëpp xam na ni moom lii waa Sénégal comme Sénégal ñoo ko def yéen mi taskatu xibaar yi nag maa ngi parce que ñii moo leen di jàppale moo tax rafetlu woon naa trop seen teewaay ak euh, soutien bépp soutien bu ngeen mën a pour euh, groupe bi ay xale seen morom ñuy taxaw di naan nii la ñun indi ci suñu te tamit dañu ko bëgg defar ci loo xam ne moom lu ma rafetlu woon la te comme ni ma ko waxoon fan euh, kaddu bi de kaddu sama frère yi ma dëkkal fii la bay. tamit mu doon kàddu boo à la communauté chrétienne Pawa-Tema Tounda de Uganda moo leen tudd ma ngi Merci. bonsoir à tous. Bonsoir à, vos frères en religion, chers croyants, frères et sœurs, journalistes, sénégalais, sénégalaises du Sénégal et des diasporas. Nous saluons tous et approuvons à juste valeur cette cérémonie, vous savez, j'ai dit tout de suite, euh, l'islam est une religion qui, qui autorise cela. Le prophète à son arrivée à Moulawara, a trouvé des juifs et des chrétiens. Euh, ils étaient même plus nombreux, hein. Donc, mais avec une politique de, solidarité, de paix, de vivre la communauté, euh, on a il a finalement pu imposer quelque chose et aussi de l'image de l'islam, qui est une religion communiste, c'est ces genres de faits. Vous savez, je l'ai dit, euh, l'islam, euh, au Sénégal, au Sénégal, euh, nous sommes même utilisés dans d'autres pays. On nous dit, mais, vous, êtes, un pays spécial. Un pays où il n'y a aucun problème, les religions de Sénégal, c'est ça. le QE l'a dit. Moi, je ne fais que prolonger, parce que le temps que j'ai départé aussi est un peu truc avec l'arrivée du dôme prochainement. Mais sachez que l'islam est vraiment en accord, en phase avec cela. Et puis, pas seulement l'islam, mais même les autres religions révélées, que ce soit les juifs ou les chrétiens. est dans la même logique que nous, musulmans. La paix, la solidarité, nous attendons donc d'Allah. Moi, je vous dis que depuis le début du ramadan, il y a un chien, de vous que je salue au passage, qui m'a même offert mon don pour quelques jours au début la ramadan, il m'a donné, comme il le fait chaque fois, il me euh, c'est la semaine dernière que la chose s'est épuisée. Et à travers ce homme, je dis que c'est fini. Il faut que tu deviennes à la sage pour que je puisse continuer mon Voilà. Donc nous souhaitons aussi, dans cette, avec cette semaine, euh, la fin de cette semaine, à parler de Pascal, euh, aussi à Zoukoura, et que vous avez en port pour euh, arriver à Paris. Vraiment, vous êtes sur le chemin de la def yàlla nañu ci eggal jàmm li ma waa ji waxee rek incha allah mbokk yi lii nga xam ne moom lañ koy def tey lu rafet la lii war nañ ni yooyu bi sax la bu ñu ñëwee mënta mun a war a dafa fekk ay yahud ak i chrétien ba mu ñëwee fekk leen foofu dafa nekk ñoom dund am solo am lu mu fay doxal indi science environnementale indi science sociale def politique ba islam taxaw islam ba mu ñëwee itam xeexu leen ndax moom suñu problème bu chrétien juif du ko am gëm suñu suñu problème mooy ñu nekk jàmm te wax naa ni lii ñuy def nii na law ci Sénégal ba ñuy copier bi bi tiit ta bi nga ak musiba yu ñu wër jaar ci Sénégal euh, comme on l'aime te ku ne xam Sénégal comme on l'aime du dara lu dul Sénégal Sénégal bu jàmm rek te lii jàmm rek la diggante bu chrétien chrétien juif sénégalais ñëpp jàppal ngeen di nuyu di rafetlu lii ngeen def parce que bu fekkoon euh, joxu leen ko benn dayoo dina ci ñëw kenn ci ñëw wala ñaar mais gis naa ne façon site yu bëree bëree bëri vraiment te lépp rek pour gën a yaatal ñu xam ne Sénégal am na lu am fii parce que li ngay wër dans le monde bu ñu waxee lan moo xew ñu ne c'est des musulmans qui offrent ay ndogu moo chrétien mu doon loo xam ne nag change bu ñu di ñaan rek xam naa ne day demee rek ñu soog a bëgg a yëg àndaale la fi état bi

Et chacun a participé pour réaliser cela. C'est un effort personnel que chacun de nous a pu faire pour qu'on puisse le faire et permettre à tout un chacun au moins de goûter, si je ne peux pas faire le gala comme il se doit, au moins de goûter le gala un jour. Et le curé nous a dit tout à l'heure que quand il va partager cela, il ne va pas choisir que c'est seulement les catholiques qui va donner. Il va donner ça à la Caritas et Caritas, c'est tout le monde qui vient. C'est une porte ouverte pour tout le monde. Ah. imam Massi Diène Massi Diène may président fondateur benn association bu ñuy wax islam et société du Sénégal loolu mooy li nga xam ne parce que curé la dafa daal di man may curé nag man may loolu moom mënoon na ma présenté comme aussi mënoon naa ko présenté vice-président commission sociale et religieuse Ephraim Manga Ephraim Manga donc ngi leen de passe euh, la présidente. Il leen parce que c'était pas évident c'était pas évident donc euh, maa ngi tudd de Dioum Astou mais je tur sur Facebook c'est à Dioum Doudou Fall lu tax ma préciser nous, mooy li ma wax sànq moom pratiquement des réseaux sociaux les les le Sénégal comme on l'aime un collectif mais la majorité on s'est connu sur les réseaux sociaux donc on s'est à préciser donc nous former le collectif donc collectif il y a des musulmans y a des chrétiens activité bu musulmans yi voilà un am dit yi ñëw activité bu chrétiens yi war am musulman yi dañuy dem jàppale leen Dans rek la de dem ñu euh, Popenguine euh, nettoyer sanctuaire il y avait beaucoup de musulmans yoo ont ne participé pour juste pour dire que euh, Sénégal li ñuy wax rek dëkk la il y a des religion yi il y a dafa def dañoo bokk nekk benn li ma wax sànq rek musulman boo gis am na parent euh, parent chrétien chrétien boo gis am c'est à préciser donc am na loo xamante ne man je pense que xajul Sénégal donc xaju fi donc li ñuy def nii peut-être am na ñoo xamante ne dëkk nañ ko fi def ñun continuité rek lañu def te bëgguñu mu yem fii parce que man de man personnellement bi ma ci duggee ba léegi dama ci gis njariñ parce que organiser nañ fi benn match football

ku am ñaari junni joxe junni ñaari junni ku am 1000 francs joxe 1000 francs ku am 50 mille joxe 50 mille ku am 100 mille joxe 100 mille ñu daal di booloo dem marché jënd suñu yëpp toog defar daal koy indi maanaam lii ngeen si suñu asaka yéene la te curé nee na bu mu ko joxee moom bi ñu koy jox nekkul ay chrétien kese ndax ay musulman sax dañ fiy ñëw di sollicité donc ñu nekk ci weeru ramadan nekk ci weeru carême ren mu daal di daje ñu ñaan ñëpp ñaari région yëpp bokk woorandoo li ma sama xarit bi naan ren su may wooru gaale du ma xam fan lay dem lekk jee ma ne ko kon ren cólle la donc euh, di len gërëm di len sant di gërëm wa collectif bi parce que ñun bureau bi déjà maa ngi préciser bureau bi koy teg bu ben musulman tegoo après ben ben chrétien mo ci top cest à duñ nangu sax ñaari musulman yu jiddé wala ñaari chrétien yu jigle donc affaire dañ ko def équitablement ben musulman ben chrétien ben musulman

ndax chrétien chaque année bi trois ans chaque année ñu joxe euh, ñu jox euh, yi ci bi ay café Touba ay ay yu baax joxe donc nous, ne ren ñun sommes musulmans parce que il faut ñu nous nous njukkal parce que nous, avons dëgg donc nous, ñu def nii ñu naan donc nit ki da nga koy bëgg rek jël ko defal ko teranga donc teranga baa ngi nii donc képp ku ci ñu xaj rek donc ñu xajal ko ci incha